asalaamaaleykum euh, sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fépp fu ngeen mënti nekk ci adduna bi tey ji nag ci seen biir émission tatami bi nga xam ne nii nag euh, El Hadji Sène Sèye Yatma Lo daf ko jagleel euh, jigéen ñi ci octobre rose bi moo tax nag tey ji dañoo fas yéene rek àndandoo ak yéen fi mu toll nii nag dañuy dem ànd ak fédération judo bi nga xam ne nii nag fan yi ñu génn organiser woon nañu nag benn journée ànd ceek ndaw yi Euh, Dominique Godinière, directeur de l'éducation et coaching à la Fédération sénégalaise de judo. Nous sommes euh, aujourd'hui euh, à la place de l'Obélix dans le cadre de l'organisation des championnats du Sénégal Poussin, Benjamin, Minime. Il y aura également les championnats du Sénégal Vétéran et les championnats du Sénégal Kata. Dans, cette optique, l'organisation a commencé depuis ce matin. dogal nii nag euh, téléspectateurs yi xàmmee nañ ko jaar na fi kon dañ koy bàyyi rek mu nuyoog téléspectateur Tatami

jigéen ñi pour ñu dem saytu seen bopp euh, ci lutte contre euh, cancer boobule saytu sa bopp nag mooy fi bépp district bu jigéen gis rek macha allah euh, boo fa demee ñu mën laa xool xool say ween xool la consulter la nga dem fa rek ñu daal di lay consulter ba pare it jigéen ñi ci boppam war nañ mun a di def autopalpation di palpé seen bopp macha allah saa yu nu gisee seen fóot ba jeexal rek ñu daal di palper seen ay ween niñ koy waxee rek mooy dañuy jàpp ni rek daal di jël sa Ben je suis directeur de relations institutionnelles à France Judo. Maintenant ça fait notre deuxième année où nous avons signé une convention en partenariat avec la fédération euh, sénégalaise de judo. Euh, dans l'optique de la préparation des Jeux de Dakar 2026, euh, on a créé une académie. Mais cette académie, euh, bien sûr que l'objectif c'est Dakar 2026, mais on espère la pérenniser parce que c'est euh, ce sport-études, bah, comme son nom l'indique, on fait du sport et des études, donc on contribue à l'éducation des gamins. Et euh, à l'image de la compète qu'on fait aujourd'hui, là, où il y a des tout petits qui font la, compétition, on rappelle que notre sport est un sport à forte valeur éducative. Et donc, on, a, on a les, je sais que les clubs sénégalais voilà, euh, travaille justement pour développer la pratique du judo chez les gamins. Et puis euh, pour ceux qui souhaitent de, faire de la compétition, eh bien aujourd'hui euh, on a créé cette académie, c'est une espèce de sport-études. Et on, espère qu'après les, jeux de, les Jeux de Dakar 2026, on espère que cette académie eh ben, pourra continuer à, vivre et à accueillir eh des dizaines et des dizaines de, de jeunes pour faire d'eux peut-être euh, de futurs médaillés euh, mondiaux ou olympiques, mais surtout pour faire d'eux de, belles personnes. Donc voilà, j'en profite pour dire effectivement la pérennité de ce projet et aussi il est, euh, tributaire aussi bah, d'un certain accompagnement. Donc s'il y a des bonnes volontés ou, des entreprises qui écoutent ce message, vous êtes le, bienvenu auprès de la Fédération sénégalaise de judo avec laquelle France Judo contribue pour justement... upload, and Ali now, elite source media. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est euh, à la place de la nation avec euh, le judo. Euh, nous organisons euh, les championnats du Sénégal de la petite catégorie de 7 ans à 14 ans. Nous avons reçu euh, pas mal de, clubs ici à Dakar. comme vous le savez, le Sénégal prépare les Jeux olympiques de la jeunesse. Nous sommes à la phase de détection de ces jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons aussi le tournoi de vétérans pour les plus de 35 ans qu'on est en train de, monter, de faire pour permettre à ces, à ces vétérans de participer au aux championnats du monde, aux championnats d'Afrique euh, qui vont avoir lieu euh, cette année, peut-être euh, cette année à Las Vegas, et aussi pour préparer l'année prochaine chez, les, chez les vétérans avec la, Côte d'Ivoire qui va organiser. Donc aujourd'hui, nous avons aussi reçu M. Larbi Ben Baroun, donc un expert de la Fédération judo française qui est là avec nous, donc dans le, dans le, dans le, dans, dans le sens euh, de France Judo avec la Fédération sénégalaise de judo pour euh, l'Académie euh, de Dakar. Donc nous sommes en train de, de, préparer ces jeunes pour...

war nga mën a dem une fois par an euh, nga dem ci sa gynécologue nga dem xooli ji mu bindal la nga dem xool sa yaram much. Bouge Bouge Abdoulaye Gueye, euh, membre euh, de la commission des grades en tant qu'assistant et puis ceinture noire, quatrième dan. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'expliciter un peu les raisons pour lesquelles la fédération a organisé ce grand tournoi dédié aux enfants. Pour une grande première cette année, euh, le championnat du Sénégal a été consacré à la petite catégorie, notamment chez les bien-aimés, les pupilles, les, les minimes. Donc le niveau globalement est vraiment très satisfaisant. On a vu des bons combats, Surtout c'est les tout petits, avec euh, vraiment des combats très très alléchants qui vraiment s'inscrivent dans une dynamique très positive par rapport à l'organisation prochainement des JOJ de Dakar 2026. En tout cas, l'espoir est permis avec euh, euh, la présidence de M. Ababakar Ngom et de toute son équipe, le bureau exécutif en particulier. Vraiment, c'est un travail excellent qui est en train d'être fait à ce niveau et nous souhaitons que ça se poursuive. Maintenant, il y a eu pour cette journée la compétition aussi qui a été associée par rapport aux vétérans. Donc il y a tout à l'heure, il y a les vétérans qui sont programmés à venir. Ça fait des années que la plupart n'ont pas goûté à la compétition. C'est l'occasion aujourd'hui de retrouver les tatamis et puis de se faire plaisir euh, une bonne fois pour toutes. Euh, il y avait aussi, par rapport à la journée, une compétition de kata qui fait partie intégrante du judo euh, tel que son maître, le grand maître Jigoro Kano, l'a pensé, avec euh, le Nageno Kata, et particulièrement, si le temps le permettra, peut-être le Katame. Mais ce sera au moins une occasion pour euh, nous de démontrer un peu cette partie très importante du kata. parce que lu bëri ci cancer li muy rey dafa fekk jigéen ñi du ñu bàyyi xel ci seen yaram alors que ni ngay dégloo sa xol ni ngay dégloo euh, sa bopp muy metti nga koy yëg war nga mën boo déggee baa nga yëg loo xam ne nekkul ci sa yaram nga daw dem ci médecin mu xool la suñu mbokk judokaay yi ndax nag euh, sport euh, au sol muy tatami muy karaté muy leneen am na góor am na jigéen moo tax nag ñu leen di woo ci sensibilisation boobu ndax ñépp mën a am wérgu yaram C'est vraiment un jour euh, magnifique parce que nous avons euh, ce championnat euh, national de la petite catégorie. Donc on a les minimes, garçons et filles, Benjamin, Benjamin et nous avons les cadets et les cadettes. Et c'est vraiment des moments où le judo sénégalais est en train de, de rentrer dans l'ère de la détection, toujours parce que l'ère de la détection a démarré depuis très très longtemps. Mais nous essayons tout le temps de faire euh, ce que vous voyez ici, c'est de faire des, grandes compétitions. je vais vous dire, ces grandes compétitions vont démarrer par déjà ce qui est important, c'est le matériel de la compétition. Vous avez ici, nous avons même au niveau euh, des tatamis, c'est les mêmes tatamis que Teddy Renner en France, c'est les mêmes tatamis que les champions du monde, les grands slams, les grands prix et les champions et les, olympiques, les Jeux olympiques. Le matériel, c'est le matériel de la FIGE. Les arbitres sont des arbitres qui ont la licence FIGE vous dire que c'est vraiment pas une petite compétition, petite par rapport à la catégorie, mais c'est une très grande compétition qui a commencé de 10h jusqu'à actuellement. Il est 20h, les parents sont là. C'est vraiment l'apothéose pour vraiment le judo et le sport au Sénégal, parce que c'est ça aussi, la détection, je viens de le dire. Maintenant, vous allez voir que euh, avant euh, que les jeunes montent sur le Talami, on a eu le championnat des vétérans cette année. Parce que Côte d'Ivoire 2025, ce sont les vétérans et ce c'est magnifique je ne croyais pas qu'il y a aussi encore d'excellents combattants malgré euh, l'âge qu'ils ont. Et ils ont fait euh, euh, un, parcours éloquent. Et nous allons engager certains à l'image de Bambaï Diaou, qui a eu quand même la médaille de bronze l'année dernière à Abu Dhabi en tant que vétéran championnat du monde, vétéran Bambaï Diaou, sociétaire de Dojo Bombardien, qui est sénégalais et qui a fait un excellent travail. Alors là, nous sommes dans cette belle cérémonie j'ai bien dit. Alors pourquoi on est là C'est tout à fait, vous le connaissez très bien, nous sommes à l'obélisque. c'est vrai, la place de la nation, c'est une place symbolique, mais aussi il faudra dire que le judo, jusqu'à présent, n'a pas là où s'entraîner, là où vraiment faire ses compétitions. On est obligé de se rabattre dans ces endroits-là, dans ces moments. Nous demandons encore en plus à l'État de nous soutenir. Et je demande à tout le monde, j'invite tout le monde à venir. Alors, le 27, c'est la Coupe de l'ambassade du Japon qui est euh, couplée au championnat national senior euh, par euh, individuel et par équipe. Donc ce serait le 27 à l'Estase Marie Et après, on va aller sur le tournoi de Kobiko et final, finir par le grand moment du judo africain. Euh, ce sera le moment où nous serons à l'Open de Dakar 2024. Cet Open est extrêmement important parce que cette année, nous avons l'affiche qui organise un séminaire d'arbitrage. Séminaire d'arbitrage qui sont les prémices vraiment du règlement qui va changer. Euh, pour le prochain, euh, le cycle actuel qui va jusqu'en 2028 à Los Angeles. Dakar, ce sera les préparatifs, donc un grand séminaire. Il y a aussi un examen en licence continentale FIGE et internationale FIGE. Le judo est là, nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, nous avons vu les jeunes de l'académie faire un travail extraordinaire et sous la supervision d'un expert qui nous vient de la Fédération française de, judo, euh, Maître Larbi. Et vous avez vu, je, vu que au Sénégal, j'ai des formateurs, j'ai des bénévoles, j'ai des entraîneurs nous avons tous, en tout cas, des bons athlètes. Ce qu'on attend, c'est que vous tous, vous voulez soutenir le judo pour qu'on puisse vraiment monter au soir vraiment des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, qu'on puisse ramener beaucoup, beaucoup de médailles olympiques parmi les autres disciplines du sport parce que le Sénégal regorge de talents et de grands athlètes. ñuy bu ndax ne bravo sensei. gannaaw bu ñu jigéen nag euh, ci judoka yi euh, fi mu toll nii nag euh, dañuy ànd ak fédération boxe fédération boxe nag bu ñu ko waxee am na ay góor am na ay jigéen ñoom tamit nag ñu ngi waajal li nga xam ne nii nag moo di championnat du monde bi ñu leen di ñaanal rek yàlla may leen ndam ndax nag Sénégal gëj nañ ci am nag li nga xam ne moo di ay médaille d'or kon yàlla ko yàlla def ñu dem déglu ju leen dooru ñëwaat. 3, 2, et laissez encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Malignan, vous êtes euh, directeur technique euh, national. Euh, vous préparez les championnats d'Afrique à Kinshasa. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la préparation Voilà, merci beaucoup. C'est Malignan, Nian, directeur technique national de la Fédération Sénégalaise de boxe. Là, au niveau de la préparation, actuellement, nous sommes sous la dernière ligne droite. Là, on est en phase d'affûtage. Cette phase nous permettra au moins de mettre en place des stratégies, de faire un travail pointu pour que nos boxeurs au moins puissent au moins maîtriser tout ce qui est tactique collective, c'est-à-dire les bases de stratégie sous le ring. On est sur phase, les dernières réglages actuellement. Parce que là, on a dépassé la, phase de développement, la phase de rectification, les, travail spécifique. Là, on est vraiment sur les assauts dirigés. Pour au moins montrer à nos boxeurs qu'est-ce qu'ils doivent faire sur le ring, sur le plan tactique. octobre rose daal weeru jigéen ñi la maa ngi ñaan sama mbokk jigéen yëpp surtout surtout sama mbokk waa kaw gi maa ngi lañuy ñaan ñu seet seen yaram ñuy dem ci dispensaire yi comme ñoom loolu lañu am ak maternité yi ñu xool seen bopp parce que sonal na jigéenu kaw gi te xamuñu sax cancer la donc maa ngi ñaan waa kaw gi jigéen ñëpp nañ dem dimbale seen njaboot dimbale seen bopp ñu dem C'est bon. Attends. c'est bon. Vous allez partir euh, avec un nombre de combien Là, on va partir avec 10 boxeurs. 8 c'est les hommes et 2 c'est les dames. Et pourquoi euh, il y avait possibilité, il n'y avait pas possibilité d'amener un nombre beaucoup plus élevé il y avait possibilité parce qu'on avait inscrit 15, mais du fait qu'il y a vraiment un budget serré au niveau du ministère des Sports, on a pu réduire l'effectif de 15 à 10. Et aujourd'hui, il y a bon espoir Oui, il y a bon espoir. Parce que l'effectif qu'on a cette année, vraiment, on ne l'a jamais eu. Sincèrement. Parce que sur la catégorie de plus de 92 kg, on a Djarka Baldé, vraiment, qui a été vraiment le, vice-champion sur les qualifications olympiques au niveau Afrique. Et pense que c'est de médaille. On a Mohamed Tafsirba qui a été champion du monde, qui vient de la boxe. Nous avons Djarga euh, Karamba Kebe aussi, qui a été vice-champion d'Afrique l'année passée. Il y a Alphonse Junior Alassane, des jeunes talents de 22 ans vraiment, qui ont fait, qui ont fait vraiment des beaux jours euh, lors des, éditions passées. Là, je pense qu'on est confiant de, vraiment de ce groupe. Et vraiment, la préparation a été bonne parce que notre président a encore mis les moyens pour une bonne préparation. Et vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes contents du travail et nous espérons faire plus que l'année passée. Je m'appelle Alphonse Junior Antoine Meli.. capitaine de l'équipe nationale homme. Quelle catégorie 75 euh, kg. Alors vous allez au championnat d'Afrique, euh, quelle est la motivation euh, La motivation c'est d'amener beaucoup de médailles ici au Sénégal et de faire vivre la passion de boxe ici au Sénégal pour les, pour les autres qui ne le connaissent pas. Quel est votre palmarès en, ce moment j'ai 64 combats, j'ai 4 défaites et 60 victoires. Champion d'Afrique Champion d'Afrique, zone 2. J'ai participé au championnat du monde, deux fois qualification olympique et des autres tournois internationaux. Alors, vous êtes optimiste par rapport à cette compétition Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis très, très optimiste pour aller décrocher des médailles avec moi, avec, avec toute l'équipe. noo tudd. Awa Cheikh Mbaye. Awa Cheikh Mbaye. waaw. ban catégorie nga bokk. 70 euh, kg alors lan moy ci palmarès Awa Cheikh. box na 10 combats Amna 2 défaites ak ay victoire ak ben nul. mos nga nekk champion d'Afrique. Euh, mais si savate boxe française bah waaw Nek na champion d'Afrique si savate boxe française pied point. Mhm. mais anglaise pas encore. pas encore waaw. bii moom di nga bëgg bi mom sa xel moy jël médaille d'or. Inshallah est-ce que préparation bi un bar? si si nous préparons préparé wu depuis presque trois semaines Nous ngi fi di préparé wu. Mhm. te ñu ngi conditions bien tamit ñu ngi entraîné wu matin midi soir tamit. conditions yu booy mooy lan. waaw ah, comme athlète yëpp rek conditions yi leen teg lekk ba suur euh, reposé wu entraînement entraînement bu baax tamit. xamoon naa di nga wax affaire lekk. les lekk ba suur <laughs> alors. Euh, dem Kinshasa lan la lay def yow. bon vu que depuis des décennies médaille d'or bi dafay absente ici au Sénégal léegi défi bi mooy dem indi médaille bi nga xamante ni sénégalais yëpp namm nañ ko tamit boxeur yëpp bëgg nañ ko incha allah loolu lañ bëgg dem jëli incha allah. ban club nga nekk yow. ci boxeurs yi dañuy dem ànd ak euh, ñi nga xam ne ñoo di karatéka yi euh, ñu leen félicité nag bu baax a baax ndax ñoom bi ñu demee ci championnat du monde bi indi nañu nag euh, li nga xam ne moo di médaille bronze ñu leen di ñaanal rek yàlla defal leen jàmm kon ñu dem ànd ak ñoom déglu leen ba tey rek ci seen biir émission tatami ak octobre rose Une médaille pour l'Afrique, une médaille pour le Sénégal, une médaille pour la Fédération sénégalaise de karaté. Céline Bakesek, médaille de bronze ici au championnat du monde de karaté KD junior espoir, vraiment en junior chez les plus de 16 kilos. Cette médaille mondiale est une victoire pour le karaté sénégalais. Je tiens à remercier le président Mohamed El Mortal Diop vraiment par rapport à tout le travail avec son staff. Notre directeur technique national, M. Joseph Sarr, qui fait un travail remarquable et tous les coachs de l'équipe nationale, c'est un travail vraiment de toute une équipe. Il faudra souligner que Serine Bakesek perd, en tout cas en, quart de finale, contre l'Italien à domicile, hein, il, faut le, il faut le rappeler, mais derrière une belle finale de bronze avec le luxembourgeois. C'était un combat vraiment euh, euh, très serré, 4 à 3, mais c'est vraiment top. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu samay parents sama papa sama yaay di nuyu sama famille yëpp euh, di remercier président fédération bi di remercier karaté Sénégal yëpp di leen wax ni ndam bi seen ndam la te kontaan nañ si bu baax te yàlla def na ñu am médaille bronze te mënoon nañ def lu ëpp lii di remercier bu baax coach yi coach Fodé ak ñi fi nekk ñi fi nekkoon El Hadj Guèye ak Gabriel ak même ñi nekk Sénégal ndax liggéey foofu la commencé ñu leen sant bu baax di leen gërëm di di si président de la république mu recevoir ñu parce que. am na yu ñuy dund yu bëri dafa metti quoi. merci. dina baax de ah. vraiment au Sénégal de féliciter euh, président Mohamed El Mokhtar Diop ak donc nous Sénégal yëpp de vraiment vraiment dafa euh, remercier aussi euh, madame la ministre aussi vraiment le président son excellence hein, monsieur Faye Nous lancer un appel pour vraiment. mu recevoir ñu ndax gi yaa ngi ñëw te karaté dafa soxla euh, ñu jàppale ko pour nga xamante ni dina

gàcce ngaa la Bachir Diouf Sarr ndax lépp li nga xamante ni mooy technique moo ko yor moom ñu mettre vraiment à l'aise vraiment merci beaucoup Sansé Diouf Sarr du ma def lu dul euh, ñaaxaat jigéen ñi bu baax ku ne xam ne ñu ngi ci octobre rose te bu ñu nee octobre rose xel yëpp day dem ci cancer bi nga xam ne mu ngi def ravage ci àddina ba tax na dañuy sensibiliser jigéen ñëpp nag ñu daal di dem di dépister wu ndax feebar bi mu ngi rey jigéen ñi lu bare bari te dafa nekk feebar boo xam ne dafa metti ndax euh, mën naa ne feebar bi ba ñu juddoo ba tey dañ koy dégg ndax mag ñi dañ ko daan jël di ko nëpp nëppal di denc naan feebar bu bon bi feebar bu ñu demee tey ba scientifique yi génnee ko mu nekk cancer muy sonal jigéen ñi di leen lor bu baax a baax kon jot na jigéen ñi ñu daal di fagaru surtout nag euh, équipe bu tatami ba nga xam ne jigéen ñi dañ ciy yëngu bu baax a baax ñoom dam leen di ñaax bu baax ñoom tamit ñu dem daal di dépisté wu dem xooli ji seen col de l'utérus yi dem xooli ji seen sang yi bu ñu amee tuuti loo xam ne rek yëg nañ ko seen yaram rek ñu dem di dépisté wu dafa am solo kon suñu mbokku téléspectateurs yi tey jii nag euh, li lañ leen indiloon ci seen biir émission tatami waaye balaa ñoo dem nag dinañ waxtaan ak toujours euh, suñu mbokku jigéen ñi ci octobre rose bi ndax octobre rose bi kat am ngeen possibilité dem seeti seen yaram donc ku nekk ci yéen jigéen ñi na ngeen dem seeti seen yaram góor ñi sax ñu ngi ci biir góor ñi ñu ngi ci biir dañu dem seeti ñoom it seen yaram ndax cancer yi nag bàyyiwul kenn waaye jigéen ñi vraiment nañu sant gërëm ki nga xam ne nii nag moo di El Hadji Sène Sèye Yatma ci opportunité bi nga xam ne nii jox na ko jigéen ñi ci octobre rose bi ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax feebar bi mu ngi def ay ravage waaye nag bu leen fàtte mën nañ koo faj bu ñu xamee ne lii nga xam ne nii doomu jàngoro bi yéen a ngeek moom ci sant ñëpp di gërëm ñëpp